samari da 'yan matan Nijar duk kamu mance daga don rago rago kana kunya parce que engagement, ine engagement ine programme de nous ragono walay haude ketinba Bonsoir et bienvenue sur Tous à la Fada, votre émission consacrée à la jeunesse du Niger. Vous le savez, le Niger a un nouveau président de la République pour les cinq années à venir, depuis le 2 avril 2021 l'occasion pour nous de revenir sur les engagements du nouveau président à travers son programme. En effet, dans leur intervention, les nouvelles autorités se sont longuement apaisanties sur les problèmes socio-économiques et sécuritaires et les stratégies qui seront déployées. Parmi les engagements pris, on peut citer entre autres l'accès de manière continue et sans discrimination aux connaissances et aux opportunités d'apprentissage de 5 millions de jeunes entre 5 et 35 ans. La participation des 3 millions de jeunes 18-35 ans à la promotion du civisme, de la citoyenneté à l'exercice démocratique du leadership politique et social. L'intégration de 500 000 jeunes filles et jeunes hommes dans les circuits économiques. Le président a parlé de grand angle de son projet. La jeunesse a écouté. Alors c'est quoi la suite il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. Doit-on ensemble, amis jeunes, mettre la main à la pâte, comme on dit, pour qu'ensemble on commence les grands chantiers pour ce pays Comment les jeunes peuvent contribuer au développement du Niger après l'alternance On va en parler avec vous, chers amis auditeurs de l'émission Tous à la Fada. Pour celles ou ceux qui voudraient apporter leur contribution au débat, c'est bien possible sur Tous à la Fada. 80 06 90 54 pour participer à l'émission à travers vos commentaires et pour recevoir tout le contenu. Abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Tout ça à la fada, vous le savez déjà. On y va pour 35 minutes d'échange de musique, rubrique et conique. Localisation géographique. Moi aussi. On euh, La place à table. Place en Notable est située exactement où, monsieur À côté du, commissariat central et je vois aussi le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Comment les jeunes peuvent contribuer au développement du Niger après l'alternance C'est notre thème du jour. Sur l'émission Tous à la Fada. Et pour en parler, nous sommes avec Mossi. Mossi, il est jeune politologue. Je te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Merci, euh, Dandy. Je vais bien. Nous sommes aussi avec Kofi Dove. Kofi, comment ça va très bien Le cadre se définit comme... Euh, le cadre, c'est le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme. Et tu es du cadre, Kofi Exactement. Nous sommes aussi avec un autre jeune, un jeune activiste aussi. Il répond au nom de Lamine Abou. Lamine, comment tu vas Oui, ça va, Alhamdulillah. Tout se passe bien Tout se passe bien, Alhamdulillah. Nous sommes avec M. Abbas. Monsieur Abbas, c'est aussi qui n'est plus à présenter. S'il faut parler de l'enseignement et de l'encadrement au Niger, on le voit toujours au premier rang. Il est deux. Isocop. Isocop, c'est... Unité syndicale des enseignants contractuels de base. Super. Nous sommes avec une grande dame sur cette émission. Une dame euh, qui se bat pour faire avancer ce pays, pour l'économie du Niger. Elle est jeune entrepreneur. Elle a déjà entrepris quelques actions pour amener des jeunes à entreprendre. Alors cette dame, je vous demande, s'il vous plaît, on doit lui faire un maximum de bruit quand même kama maza mata kama maza maza merci merci Dondi alors ah, Maï comment tu vas <laughs> on te souhaite la bienvenue merci Dondi je vais bien Maï est de Mafari elle répond donc au nom des jeunes entrepreneurs du Niger Maï, comment tu vas Ça va Je vais très bien, Dondi. Nous avons aussi la chance de croiser une jeune fille qui est de passage sur cette émission. Elle est très jeune, je vois, elle est très jeune et très belle. Elle est habillée en noir et bleu. Donc, elle a un sac marron dans ses mains et deux téléphones portables. Donc, cette jeune dame va se présenter. Comment vous allez, madame Merci, donc Je peux vous tutoyer, on est entre jeunes. Oui, merci beaucoup. Vous répondez au nom Donc, c'est mademoiselle Bassira. Ah, c'est une demoiselle. Bassira, elle fait quoi dans la vie, Bassira euh, je suis politologue. Politologue Oui, et diplomate de formation. Waouh, on fait du pour la dame, s'il vous plaît. Eh, nous avons des jeunes politologues sur cette émission. Nous allons donc démarrer avec nos premières séries de questions. Qui est Bazou Mohamed Écoutons son portrait avec Abibou Garba. Âgé de 61 ans, Bazou Mohamed est né à Bilabrim, région de Difa. Après ses études primaires et secondaires au Niger, il fréquenta l'université Cheikh Kantadiop de Dakar de 1979 à 1984 il a obtenu sa maîtrise en philosophie politique et morale, puis un diplôme d'études approfondies DEA, option logique et épistémologique. C'est ainsi que Bazou Mohamed devient enseignant et adhère au syndicat national des enseignants, puis il sera dans la délégation de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger à la conférence nationale en 1991. Puis avant la conférence nationale, Bazoum Mohamed fait partie de ceux qui ont créé le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya en décembre 1990 avec ses camarades dont le président de la République sortant, Issoufou Mohamed. Cinq fois élu député au titre de la circonscription spéciale de Tasker, Bazoum Mohamed a également occupé plusieurs fonctions ministérielles, affaires étrangères, intérieures, de confession musulmane, Bazou Mohamed est marié et père de quatre enfants. Renaissance Acte 3, consolidé et avancé, c'est l'intitulé de son programme. Les jeunes occupent une place de choix dans son programme dont voici quelques points saillants. L'accès de la manière continue, sans discrimination, aux connaissances et aux opportunités d'apprentissage de 5 millions de jeunes entre 5 et 35 ans. La participation de 3 millions de jeunes de 18 à 35 ans de la promotion du civisme et la citoyenneté à l'exercice démocratique du leadership politique et social. L'intégration des 500 000 jeunes filles et des jeunes hommes dans le circuit économique. Big up Abibou Garba pour la biographie du président Bazoum Mohamed. Est-ce que les jeunes que vous êtes, vous vous retrouvez dans les engagements du nouveau président de la République du Niger je commencerai par M. Euh, Monsieur Kofi du cadre. On se retrouve pleinement du moment où hmm. le discours inaugural du président de la République, on pense qu'on ne l'a pas forcé ni exigé à faire ce discours. Ah. Il a fait ce discours en homme libre et philosophe de formation qu'il est. Je sais et je crois que ce qu'il a dit, ça vient véritablement de son cœur que c'est sa pensée qu'il a exprimée ah, et qu'il va réaliser cette pensée-là. bokulman kolf da ngaga mm. bumbu wono tun gati ari nga haykan ci din mayo mm. dole ifo kin mata batandi to irma odin ko an kan ni ci din mayo ni man mata batandi mayir me kando <laughs> nous jeunes entrepreneur no émission ogo so ay min ha sanni fo ende cara gama ara ara hangan président discours se ara ma won engagement est ce que ara wo ara ndika ara murade gingi feri a gestion wora parce que jir guno gajine labo mo charbani denir gajina balci dara manate astem o murade gin feriya don di zam dai haya kan aci hadda an tabbatanci to a gaci irwo son kai monir goga danga gune son matano ici me ir goga mo danga gune matano misa matna gaci ya da igin ga alkawalodin iga tonan di isa tonan di irwo kai kirgon ware ima tonan di dini tonan di mo igidi himman da kokar dirkwai ba ay saabuni sem ay irgie kanga monsieur abbas saymin ha sanni fo président discours o kanga te est ce que aran di aran wo enseignant ay e de la collise est ce que aran di kar murade idin igingite jir wari cergamara eh irwo discours o kirna hangan mm. irne de maga irse de nante ara diskuro. nan discours ah, irse de nante parce que sanno kulu to lokolo bonas bay sa ato ah, adiga insister lokolo bonno di guna kanandi woygo kulu mm. lo kolo bonno asbay sala mm-hmm. donc irgene ero sanorin matirgara no irba bisara quoi mm. oh irba bisara donc eh, e koyne ngi bumbo enseignant no syndicaliste zenono e aglo kol masala kulbay donc irwo son irgene derg botuno e irmo do har irgo gongidi matinirgate gadi ase pour que alkawalaydin wala pour que alkawalaydin ami tonandi monsieur Mossi vous êtes jeune politologue sur cette émission on a beaucoup entendu parler de développement dans le discours du nouveau chef d'État. Est-ce que pour les jeunes, il faudrait aujourd'hui avoir des compétences spécifiques pour s'engager dans le processus de développement Si oui, lesquelles Sinon, comment jouer un rôle alors en tant que jeune vous êtes jeune euh, politologue, je précise j'insiste. Tout à fait, Dondi. Euh, hum. Merci. Euh, je pense que par rapport à votre première question, je pense que déjà les compétences sont là. Les compétences sont là, les jeunes sont vraiment dans tous les domaines, tout cas. dans tous les domaines aujourd'hui, on ne peut pas avoir un domaine dans lequel on ne peut pas, avoir, un peut pas avoir un jeune, en tout cas, qui, mérite d'être qui maîtrise, voilà, qui maîtrise le domaine et qui mérite d'être placé même peut-être même pour la gestion même ou bien la gérance du domaine. Attends. Euh, moi, ce que je, pense, il faut d'abord donner l'opportunité à la jeunesse de faire ses preuves également. Parce qu'on ne peut pas juger la jeunesse sans pour autant lui donner, lui accorder cette chance, en tout cas, de, de montrer de quoi elle est capable. Mhm. Des compétences, il en a. Donc la jeunesse est capable. Oui, c'est vrai aussi, ah. au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec l'effet de la mondialisation, mhm. aujourd'hui, euh, on ne peut pas tout simplement se contenter de ce qu'on a. Mhm. Il faudrait aussi envoyer des jeunes, en tout cas vraiment, euh, pour aller se faire former sur tous les domaines. Euh. Et nul n'a le monopole du savoir. Il faut aller chercher le savoir jusqu'en Chine sur le faux. Absolument. Sur ces propos, nous allons recevoir sur cette émission un artiste. Cet artiste nous vient du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. L'art n'a pas de frontières. Et cette rubrique est consacrée à l'art et à ceux qui le pratiquent. Voici donc pour vous la rubrique L'artiste s'exprime Massa Deme, c'est le nom de l'artiste. Un talentueux, c'est l'Afrique qui gagne sur l'émission Tous à la Fada. Et tout de suite, la suite. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, sur Tous à la Fada, Massa Deme s'exprime. Ladies and gentlemen, recevez l'artiste Massa Deme tout de suite et maintenant sur l'émission Tous à la Fada, l'artiste s'exprime. Hey. Doutora Bagila, Doutora Kongola, Doutora Kenkena, Tamasirala, Doutora Bagila. Dautora Kungola, Dautora kenkena Tunga Sirana. Deme, la machine d'homme dit te souhaite une fois de plus sur la bienvenue sur l'émission Tous à la Fada. Tu n'es plus à présenter. Ils t'ont déjà kiffé hier. Ils ont eu un peu le parcours du combattant sur cette émission et consacrée à la jeunesse nigérienne. Aujourd'hui, nous allons parler du contenu de l'album Tunga, un album déjà disponible. Ce qui m'a impressionné parce que j'ai écouté les 10 titres de cet album. Euh, tu fais la promotion de la langue euh, de la langue euh, Djola Bambara. Djola, Bambara. Ouais. Pourquoi Massandeme alors déjà, merci à toi la machine. On est ensemble mon frère, il n'y pas de ta femme. C'est ma langue maternelle, c'est euh, une langue dans laquelle je me sens mieux quand je, compose mes chansons, alors euh, c'est celle que je maîtrise mieux. Super. Alors ma sœur Demi, aujourd'hui on va parler de Tonga. Tu viens à l'instant de chanter quoi Je viens à l'instant de chanter le titre euh, Tonga même. Tonga. Voilà euh, le, titre même qui porte le nom de l'album. Le, nom de l'album. Donc c'est de Tunga que nous allons parler. Ah. Tunga c'est le nom de l'album. Tunga comporte 10 titres. Tunga veut dire quoi Massa Deni Alors Tunga veut dire euh, simplement aventure en euh, aventure. Bambara. Et dans le contexte de l'album, Tunga veut dire ça parle de l'immigration clandestine. Voilà, de africains qui, euh, qui meurent dans la Méditerranée pour euh, forcément rejoindre euh, l'Occident. qui pensent que tout est de l'autre côté, que c'est ça, ça, parle un peu de cette galère que les, jeunes africains. Ah, super. Et un album de 10 titres Un album de 10 titres qui aborde plusieurs thématiques, dont l'amitié, la fraternité, l'amour entre nous, et voilà, le mariage forcé, l'alphabétisation des enfants tout ce qui euh, concerne nos faits de société, ça, ça, fait un peu le tort. Un album conscient un album du euh, Japon Ouais, bien sûr. Hein. <laughs> Et qui fait aussi bouger. Parce qu'en fait, euh, eh, moi, tu, tu m'amènes, hein, tu vois, quand je j'ai je m'évade. Ça me fait penser beaucoup de choses. Et on espère aussi que ceux qui nous suivent, hein, ils se retrouvent à travers justement cet album. Ok, d'accord, que nous allons, puis euh, évidemment, présenter tout de suite maintenant. Tunga, 10 titres. Le premier titre déjà de cet album, c'est Kala. Oui. Kala, ça donne quoi déjà Alors, Kala, c'est une chanson qui, qui parle de l'alphabétisation des enfants. Bien sûr, on peut avoir un tout petit peu, juste un tout petit peu. Tu vas juste raccorder, parce que c'est une émission freestyle, euh, pour permettre bien évidemment à ceux qui nous suivent euh, d'avoir une idée de Ghana. dans l'album Tunga Dans l'album Tunga, il y a Teria, une chanson qui parle de l'amitié. Ok. Et euh, il y a aussi euh, Moro une chanson qui veut dire euh, il n'y avait personne pendant les moments de difficulté. Des gens qui, qui nous entourent, qui, qui sont bien au courant de nos projets, à qui on tend la main parfois et on n'a pas forcément l'aide dont on a besoin de ces gens-là. Tout simplement, décortiquons l'album en intégralité. Alors, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on a encore de On a aussi Djuguya, une chanson qui parle de la méchanceté. Mhm. C'est pas bon. Ok. Voilà, pas, du tout, pas, du tout, bon. Je suis d'accord avec <laughs> Quand on a un petit truc, il faut le partager autour de soi histoire. ça mm -hmm. sommes à la fin de l'émission. Cet instant est solennel. On voudrait un message. Cette émission fait la promotion de nos langues. Alors je voudrais un message en Djoula, tu vois, en Pampara, pour dire un mot à la jeunesse nigérienne. Un message que tu vas traduire à la fin, mm. en une phrase. Hein. Tu, vas, tu vas résumer tout ce que tu vas dire en une phrase pour permettre à toute l'Afrique et au monde entier de savoir ce que tu as dit. Burkina Faso, Niger, mali Sénégal, guinée farafina jamana Bé, aw bɛɛ ni Baradi, ani baraji a ye ala k'aw bolomala croyez en ce que vous faites ne lâchez jamais le message est clair et franc never give up c'est le concept Massa À l'instant T, c'était Massa Deme, c'était le Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara la patrie ou la mort, nous vaincrons. Les hommes passent avec leurs qualités et leurs défauts, le Niger reste. C'est en fonction de ces seuls intérêts que nous devrons tous agir. Disait le général Ali Chebou lors de l'ouverture de la conférence nationale souveraine. Nous sommes sur l'émission Tous sur la Fada. Cette émission, il faut le rappeler, est consacrée à la jeunesse nigérienne. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant T, vous avez juste raté la première série de questions. Comment les jeunes peuvent contribuer au développement du Niger après l'alternance C'est à cette question qu'on se pose. Pour la question, nous sommes avec M. Mossi, nous sommes avec Kofi Dov du cadre, nous sommes avec Lamine Abou, M. Abbas est de la partie, la jeune politologue ok, d'accord, qui va aussi intervenir dans un instant, est avec nous. Elle a certainement beaucoup de choses à dire. Maï, Mafari, qu'on reçoit en tant que jeune entrepreneur aussi, a un mot à dire en ce qui concerne le thème. Attaquons notre deuxième série de questions. Parmi les promesses, on a entendu parler d'éducation, création des internats pour les filles afin de freiner le mariage précoce et forcé. Monsieur Abbas, de formation professionnelle, d'entrepreneuriat pour les jeunes. Maï, Comment les jeunes doivent-ils s'y prendre afin que ces axes qui les concernent soient vraiment exécutés sur terrain. Donc, sont mhm. irin koyda création des internats pour les filles afin de freiner le mariage précoce dama dine mariage précoce irbe kan zain bora ye yandi ak ah, fatal l'école à l'école au ngo wa tabata fa ame zan bora gi jirbi de nam koy kon me wala toy go hangane sa e sanne wadi bon gak sinay bambata no président go kande l'école fond fondara parce que internet créé en hankona zanka bobo ga koy lokol bawo kayan fata bumbo igingi yeti parce que on kona eh, irwo koy hal sajera erwo di masalai kan lokoli zai gogudu gudu surtout Wandiaise. Parce que village Yango, Nakayango, plus de 15 km dans un collège. Quand a bon primaire, pour faute de tuteur, Nakangu Zumbusa, c'est Dole am abandonné. Am Kafu Goro, Jirminki Hinza, et Imagine Sam de Eze quand yandi dare donc alors so maintenant na dina internet din te ko cewa dole nan kurkar nafun akwai agudu nan kango goro parce que déjà elles sont pris en charge par l'état hmm. donc agu goro aginga cewa no continuer en bori quoi hmm. donc no din vraiment eh, ga kisine hanano we mai za sun ne san bande da ngat kan bori da ine ma pizan kai hangai chandi ma nyanga hangai candi pour que nodin gora paskan tarna gore ba kulgu bai matkan agoda ba kulgu bai apre conséquence matakan no gara ah. gawa irma odin sa bas basira jeune politologue son sanno tonuga nima de an kirki za sintine kalneo irga bai mo kan kuna nig ma jeune dori parce que politique ko oh, dingo ga chomo c'est pour le développement politique du développement chono no woti président ga sanera kan formation professionnelle sanni des jeunes nous en tant que jeune politologue mat ni di kan jene mo gingite pour que ba president sankade an tonandi formation ni kan sanni kande am koy dejine pour que bora kul mangay kambay dram ok donc matka inchi da sur le plan de l'éducation mm. comme formation professionnelle mm. aujourd'hui il manque de sensibilisation kun mm. ba ite interna ite haikulu tant que il manque sensibilisation bay ben, mangano problème go funu aste hon kuna mu koi gaba ifo seno igo mariage din te mariage din kawai kawai na gofun kawai ra mu ba ifo seno ir nga isi ba irmu koi ekol surtout ir wonde yise kadai iri ir higendi in ba ifo seno isi bare danga l'origine même oh, in ba ifo se te ko du fuma do jina merci ifo oh. no ti im duga fuma pati gaba ifo no ti problemo on oh. kun dine isi ba imir higen ir wonde sai za sintina ifo magas igidi kanga danga du wonde ko ekol danga aga turno aga bunda parangai ah. igidi danga nim higi bisanim ko ekol igidi danga hayo an saga tagaino ah, donc non dika wodin janga fama dirim ga char fama de wodin jina voilà im oh. char sensibiliser après et puis plan professionnel hun kun irgodi vraiment zankai hun kuna c'est pas la peine vraiment c'est pas la peine hun kuna di ika ekol yon gonu professionnel de forme ama ba ikon di zankai iskai gite goy chekante a ah. foyon gon ikai goi amma la plupart in kun da mafat ifo go kan de hayo man disite yan ifo no go mati danga goy sinu no bon ah. il faut que irim cher sensibiliser irim cher bon feri voilà eh, irim wallahi din tonto la legend politologue ne gasara to maimuna naimin hassan nifu président kan da entrepreneuriat sanni parce que la bomo de ba mu koy regine kalde dirbe ka economy o moton economy o mo irga bay matkanci kinana himanda ifono faut no ara wo en tant qu'entrepreneur aran gogate wala aran gondi ni aran mate pour que aran labu koyoga irim labu ka wayi dulura e eh, yadi no dondi hale gisala entrepreneur ya bo ek be misalan juste uh, we borai bon hala idam musu koyga isha we boro danje bon eh, mace ma iko we boro danji hun kuna dir koy kawye ra irgidi kan borai kai yango tabi dai kaci kauye we bor ingono ga tabi am sasabun da kan be am hina am koy turi am koy harka bor kunno bam duis kanjin ka wai dulura bin pata kan go ise hun kun man manci internet ki ne wobo im internet ki na hasarwa kan ga ka internet ban ga gyasu ba internet kina aiwo hanga canjiyan kan gaise oh. gwamnati ama international har hannano zama wai bore mu koy mu choy bonga mu feri har hannano amma inga mu mu hanga chandim ke kido sanda kanga na bor kulkan waze kai sa so enseignant kai sa so particulier fono bor kulkan ko karga izwani sara mu duwase sanction mu bora gar karyan hannu wajen mu inga no ganan paran ai marasure paran bobo daran malakar tuna inga dai nufa igon hamburi izo avenue mu koy sara fonda bo binde sambu sambu im sambu la kal kanandi ah dirka mhm. wallahi irma kan ci. deja rar zan tene mosu mosu zan irgo gi gon fa no misal hanga no kati dumi zai kai yango boatora kango boatora no ko imi da bindi ne gugun jirgu kuli zai inshallah ne ko jirgu as dan barandi zan kai jini manda jirgu no me oh oho gingiye giye ka <laughs> bor fundi chini ban chimi wajen ah. waya din kenan zan kai da irgo gi forme fa amma bai da ne in go girbo turin bai mu ganda mu haifo go gate irgo formation ga man ci irbo ba zan ka kai ne hunkuni aran gogun mo dan aran goga gune irgo gumo dan ga gune ta irdi dai gire kan bisa nifo ina da gonandi mhm. nifo fisbilla a dogon wato man tubar kunno gudu nifo entrepreneuriat bo sensibilisation digite bore son bore ga bingai ma entrepreneur wi irfaham masala bero accompagnement Oh. irin di ne wo nik di bura nik formalite kulu soho imto banka ido imine a ah, a ah, il faut que nim kata parcel fo tira makata moto alla manji donde din gondo wada eske ni ko gara ah, sabo dai gondo parcel de moto ay ge nere de ko gay murado te he mai sanu ni no banandi sangaran gonde ni kanga ta amma an fo yinasi wato fonde o oh, irgi mili kan sanno president mara dama mara mo borfo gon kan mara ko gichasi zamiro wodin de senor go ge mission vous pour contribuer à quelque chose, il faut bien qu'on vous donne l'occasion de faire vos preuves. Est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse nigérienne peut prétendre jouer un rôle moteur dans le développement du pays Tu vas répondre à cette question après la pause musicale, mon ami. D'accord. Écoutons de la musique voici donc pour vous maidoukushi shiyece da Sanliberi Liberinodin gaskia 2001 voici donc pour vous cette chanson qui éveille qui conscientise d'une manière ou d'une autre Eh, réveillez-vous la jeunesse nigérienne fraternité travail progrès fraternisons travaillons progressons pour la prospérité du Niger on kiffe Kairan Gaskia et, tout de suite la suite si tu rêves de procéder plus tard un bel étalon entretiens bien ton poulet telle est la vraie vérité. 1, 2, 1, 2, j'ai étudié le temps 1, le temps 2, j'ai des diplômes. Diplôme, mais pourtant, je chante suis 100%, comme 22%. N'a pas de boulot, bon ça. Chaque bébé vacciné est un avenir affirmé. Chaque talibé rassasié est un avenir sauvegardé. Chaque collé arrivé est un avenir confirmé. Kaiden Garcia, votre parole est député du jeune Nigérien. Aïe, nous sommes à l'an 2000, mais il n'y a toujours pas de promesse ni richesse dans mon pays où la jeunesse est un détresse. Le jeu en la chandelle. Faut que tu le rappelles, notre avenir est un jeu. Évitons la paresse, man, synonyme de faiblesse. Faut qu'on se réveille, qu'on travaille, qu'on nous paye. Moi je suis tellement fouillé, mais je ne vois pas de ce métier. Je ne peux pas me condamner, mais je peux me débrouiller. Je crois que dans ce monde, c'est chacun pour soi et que personne ne s'assoit pour que je le pousse. Ceci est un message à tous les gens de l'univers. Il faut, il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. de l'instant c'était donc Aydan Gaskia sur l'émission Tous à la Fada une émission consacrée à la jeunesse nigérienne Lamina vous nous t'écoutons pour donc la question qui a été déjà posée tu te rappelles tout à fait Dondi mhm. je crois que les jeunes doivent nécessairement jouer un rôle important pour le développement de ce pays. Pourquoi Parce que c'est en même temps un devoir et une obligation pour moi. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien que le Niger est un pays dans sa grande majorité de la population jeune et que nous savons pertinemment que dans le monde entier, il n'y a pas un pays qui peut se développer en dehors de sa jeunesse. Surtout que nous, nous avons eu cette chance naturelle d'avoir des jeunes, plus de 70% de la population. Donc, je crois que ça doit être une condition sine qua non pour tout président qui veut un développement sérieux de notre pays. Il va falloir évidemment faire avec la jeunesse. Ça, c'est inévitable. Et la jeunesse, quant à elle, déjà, je le dis, on a tellement de jeunes diplômés qui sont aguerris, qui sont prêts aujourd'hui à servir loyalement et dignement leur pays. Et c'est donc aux autorités de créer ces conditions d'une bonne euh, détermination et d'engagement de, d'engagement politique de leur part pour insérer ces jeunes, leur donner la chance de pouvoir en tout cas contribuer effectivement à ce développement tant attendu, parce qu'on peut le faire et c'est possible. Donc on ne peut pas se développer sans la jeunesse et la jeunesse elle doit se construire comme ça se doit et c'est pourquoi eh, je salue au passage le président Bazoum en, insistant sur l'éducation parce qu'aujourd'hui il faut le dire hein, L'éducation, c'est le levier de développement de toute nation. Irma, sans éducation, ben, c'est euh, le chaos. On revient à toi, Kofi Dov, ah, oh Est-ce que tu penses que cette jeunesse aura réellement ce mot à dire dans la gestion de ce pays Fourtedier, ils ont vraiment leur mot à dire. Hein. Zama, de voir au Niger, euh, population Sambou. Quand hmm. on alors euh, une population constituée à majorité de jeunes on ne peut pas laisser la majorité en alors il va falloir que la jeunesse s'impose et comment la jeunesse doit s'imposer elle ne doit pas s'imposer dans la rue elle ne doit pas s'imposer dans des contestations violentes, elle ne doit pas s'imposer dans la dégradation des, des deniers publics. La jeunesse doit se montrer responsable apporter sa pierre à l'édifice. Euh, on a l'habitude de dire il faut Partant de ces propos, mesdames et messieurs, nous allons solliciter Mr. Olivier pour la chronique de l'émission Tous à la Fada. Olivier, on te souhaite la bienvenue. On veut savoir, Didou, qu'est-ce qui se passe Effectivement, Mr. Dondi, ce soir, nous allons parler du hashtag avec le hashtag, on peut revendiquer nos droits. Hashtag Terra Weboré. Amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans la chronique de ce soir. Ce soir, dans la chronique, nous allons parler du caractère hashtag. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, regardons un peu de près. Le hashtag est le caractère dièse, ajouté à un groupe de mots qui permet de mettre en relief ce mot. Majoritairement utilisé sur les réseaux sociaux, le hashtag permet soit de marquer un contenu avec un mot-clé afin de partager ce contenu et d'y faire référence plus facilement, soit de regrouper l'ensemble des discussions faisant référence à un même thème. Il est couramment utilisé sur Internet. Et pour ceux et celles qui sont sur Facebook et Twitter, il vous souviendra que certaines fois, dans des publications, vous voyez des mots qui apparaissent en bleu. Et au début de ces mots ou bien de ces groupes de mots, il y a le dièse. C'est ça qu'on appelle le hashtag. Vous vous demandez justement quelle est l'utilité. Eh bien, le hashtag permet à des activistes, des influenceurs, des marques, bref, aux internautes de se réunir virtuellement entre ceux qui partagent les mêmes points de vue ou même pas. C'est exactement dans ce temps d'idées que plusieurs hashtags ont vu le jour dans la Twitter ou même sur Facebook, en passant par hashtag NigerVote, hashtag NigerTakara, hashtag NigerInvestiture 2021, en terminant sur le plus récent, hashtag TerraWebore. Les hashtags ont servi et servent toujours également à informer, dénoncer ou encore attirer l'attention des décideurs sur un fait d'actualité. Eh bien, c'est ce que certains internautes ont fait suite au scandale de viol de femmes à Tera avec le hashtag TerraWebore. Alors, avec le temps, on a constaté une croissance et des utilisations des hashtags. Amis auditeurs et auditrices, à la suite de sa croissance et de son utilisation mondiale depuis la fin des années 2000, le mot hashtag est désormais intégré au dictionnaire d'anglais d'Oxford, également au Petit Larousse depuis juin 2013 et au Petit Robert depuis mai 2014. Sur les réseaux sociaux, le hashtag sert à centraliser les messages autour d'un terme bien précis. Il fait office de mot-clé pour que les utilisateurs puissent commenter ou suivre une conversation. Eh bien, en politique, en marketing, partout sur les réseaux sociaux, chaque internaute fait usage des hashtags pour faire passer son message. Dans l'espoir que cette chronique vous a permis de comprendre l'importance et l'usage de ces mots bleus sur les réseaux sociaux, maintenant vous savez que peu importe votre langue, votre connaissance digitale ou vos centres d'intérêt, vous pouvez lancer votre hashtag pour faire passer votre message. D'ici là, portez-vous bien, hashtag paix, hashtag amour, hashtag lumière, hashtag one love. Bye bye. À l'instant, c'était donc Olivier sur l'émission Tous à la Fada. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous parlons de comment les jeunes peuvent contribuer au développement du Niger. Chacun aura un mot à dire. Avez-vous un plan pour accompagner les nouvelles autorités et jouer le rôle qui doit être le vôtre sur cette émission Lamine Abou. Dondi, question auquel nous poser, il va circonscrire par rapport au contexte actuel. Quoi. Zamirgo, contexte Kara il faut le dire, eh, il que la kalkane tchekino. Ah, Ça, c'est très important. En tant que jeune politologue, monsieur Mossi, est-ce que eh, tu as un plan eh, pour accompagner les nouvelles autorités pour jouer le rôle euh, moi, c'est surtout sur la question de sécurité ici au Niger. Euh, comment impliquer les jeunes, en tout cas pour euh, lutter contre cette insécurité pour euh, ramener la paix de notre pays. Nous savons tous que la base de l'insécurité, c'est surtout l'inégalité mhm. sociale qui crée en tout cas certaines frustrations mhm. et euh, qui conduit à cette insécurité. Et donc euh, la première des choses à faire, c'est vraiment de faire tout pour que chaque citoyen, chaque jeune se sente impliqué dans la gestion du bien public na palango nargbar misali ganu jenno en camp prison wati kanga gete il faut de plan fo no goni se kan ginga tonton émission wona wo no wakir ti sentina jeune bono imutun ginga gadi il faudrait que les jeunes eux-mêmes à leur niveau que nous-mêmes jeunes à notre niveau, nous nous, nous responsabilisons. Il ne faudrait pas que nous soyons cette jeunesse-là qui porte les désaccords et les contestations entre les hommes politiques. Maï, la dame de fer, nous sommes à la fin de l'émission. On va te laisser conclure. ça ça ne nirgano irin no minti fo de mu nima chapirse mai irgo ga ten ya di no mata kar na ci da irin ma haikan ba ai kai ga ba hanga canje kan ga sai shone ga imi can sai ir labuse en no ya en oh imi can sai irin bai kan nijero irin wonno niger irin wonno no asina nan kirga kwai irin mm. ge ka dai niger irin wonno afo in kan tamu kwai ne irin bai kan mun ci borfoni kwai ceci am ye kago ir labuse a kasaban da irki gaba ga bisa population wa kulu irin ka ko irin ne a wor gobo turmi ji hay kan bor ta ha hadir ga ji kaga te ir gogoro diyan wadin banda goyo muka banda zama ah. hun kunna igin girno sai a tu irin mu han for dalibu talibu za ir sintin girbi fo girbi hinka irin ya ka desengagement no yake gici wala wadin ne goga furta ge hanga canji har wo daran banga an gashi aran naran furara wakwai jusqu'au fond misali ga amsufur ne ga fatane da fura mu goro zama ba presidenci da jane man tunga haudange bora asiti asiti mai ne meno machino da ekip teknik da jane kan yango ga hangan gane irma gayi ba kai na fo irgo go irko mirno aloma remu du hino sato mu hankan erga kaga chapa jane se mis misali ga fadara hey